thank you Chers auditeurs du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangu de ce vendredi 23 juin 2023. Au micro, c'est Fanta Chamsoui à mes côtés, Ruketu Abdraman pour la présentation. À la technique, c'est Abdulkader Champiano et Adama Dawaki à l'édition. Ruki, bonjour, comment tu vas Je vais très bien, Fanta, et toi Ça va, Alhamdulillah. Super, alors, t'as quoi pour nos auditeurs ce matin Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons tenir compagnie à nos chers auditeurs pendant une heure avec un programme bien croustillant, composé d'un flash d'informations, mais aussi de la revue de la presse. Dans la rubrique hebdo de cette édition, nous parlerons de l'entrepreneuriat des femmes. Et pour la partie invitée de cette émission, nous nous sommes entretenus avec Natacha Mengoli, journaliste à la radio RJB en Suisse, en mission au Niger, dans le cadre d'un échange de programmes avec le studio Kalangu. Il y aura aussi du sport, un reportage régional du loti avec les femmes du studio Kalangu et de la culture linguistique. Voilà, chers auditeurs, c'est avec le flash que nous débutons cette émission. Il nous est proposé ce matin par Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Fanta. Alors, euh, pour euh, ce flash de ce matin, au Niger, les députés ont adopté hier, jeudi 22 juin, la loi modifiant l'article premier de la Constitution pour intégrer le texte du nouvel hymne national, l'honneur de la patrie. Le présent projet de loi a pour objectif de modifier l'article 1er de la Constitution pour remplacer l'hymne national par l'hymne de la République et la nigérienne par l'honneur de la patrie et ce, conformément aux dispositions de l'article 173 nouveau de la Constitution du 25 novembre 2010. Ensuite, euh, le ministre de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire, Maman Ibrahim Mahamad, a remis hier au Premier ministre Oumoudou Mahamadou le rapport des assises pour l'assainissement du secteur des organisations non gouvernementales et des associations de développement ayant eu lieu du 28 au 30 novembre 2022 à Niamey. Selon le chef du gouvernement nigérien, ce rapport doit s'accompagner d'une comptabilité des comptes fiable et transparente, car les ONG sont des entités qui manipulent des fonds publics. Donc, au même titre qu'on exige de l'État une reddition des comptes, nous devons exiger des ONG la même chose. Enfin, dans ce flash d'information, participant au sommet sur un nouveau pacte financier mondial à Paris, en France, le président de la République, Bazoum Mohamed, a préconisé hier dans un discours prononcé devant les participants la création nouveau, de nouveaux paradigmes audacieux et innovants dans les partenariats de financement. Ce nouveau pacte doit également rendre concrète et opérationnelle l'aide prévue par les accords de Paris et de Glasgow en faveur des pays pauvres qui attendent d'être mis en application, a poursuivi le chef de l'État Mohamed Bazoum. Ce sera tout alors. C'est tout pour le moment, Chamsou. Rendez-vous à 17h pour la grande édition pour plus d'informations. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Rafika, pour toutes ces informations. Chers auditeurs, dans un instant, nous allons passer à l'entretien du jour avec Natacha Mengoli, notre consoeur de la radio RGB en Suisse en mission au Niger. Mais avant, Fanta, écoutons d'abord Shakirari du groupe Akazama. c'était le groupe Akazama, un authentique groupe musical de Douti. Le morceau qu'il chante Shakirari veut dire en français celle dont on vante le mérite. C'est une chanson dédiée à un esprit féminin que les humains viennent implorer dans les anciennes croyances et pour avoir sa bénédiction, il fallait la flatter. Voilà, donc après euh, cette pause musicale, chers auditeurs et auditrices, c'est l'heure de passer à l'entretien du jour. Notre consort de la radio RJB basée en Suisse nous parle de son séjour et son regard sur le Niger. Alors, je m'appelle Natacha Mengoli, euh, je viens de Suisse et je suis journaliste euh, dans une petite radio privée en Suisse depuis 15 ans dans cette radio et je suis aussi chef de, de rédaction depuis 3 ans dans cette radio. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre radio et de ce que vous faites concrètement dedans Exactement. Alors, c'est une euh, radio qui s'adresse à la population francophone euh, du canton de Berne. Il faut savoir que le canton de Berne en Suisse, euh, c'est l'un des plus grands cantons du pays, mais qui est majoritairement alémanique. Donc, 90% de la population parle allemand. Et nous, on, on fournit de l'information et du divertissement pour les environ 10-12% de la population qui parle français dans cette région du Jura bernois. Mais alors, euh, Natacha, vous êtes au Niger depuis euh, une semaine. Exactement. Dans quel cadre est-ce que vous êtes au Niger En fait, euh, j'ai la chance de participer à un programme qui s'appelle Enquête d'ailleurs. C'est un programme suisse qui a été initié il y a environ 15 ans par des journalistes suisses essentiellement. Et le but, c'était justement d'organiser des, tandems, des échanges entre des journalistes de Suisse et des journalistes d'ailleurs, essentiellement d'Afrique, mais pas que. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai eu la chance de faire un échange avec China Soumana du, studio Kalangu. Et euh, comment vous trouvez le Niger J'avoue que j'avais un peu des appréhensions à venir ici parce que en Europe, euh, y compris en Suisse, on nous dit que c'est formellement déconseillé de venir au Niger, que c'est très dangereux. Euh, je vous donne un peu le, point de vue qu'on a depuis <laughs> l'autre côté. on nous dit que seulement les, les voyages vraiment obligatoires sont nécessaires ici, qu'il faut prendre des précautions. Donc j'avais un petit peu des craintes et et en fait, je trouve que les gens ici sont, sont très accueillants. J'ai vraiment été euh, bien accueillie avec beaucoup de sourires. Les gens sont bienveillants. C'est vrai, bah, ça c'est quelque chose qui m'a aussi marqué et j'y avais pas forcément pensé, mais il y a très peu de blancs en fait ici, sachant qu'il n'y a pas de touristes. Euh, et, et, du coup, ben, de toute façon, euh, immédiatement, j'attire l'attention. Alors quand j'étais devant l'hôtel, ben, tous les enfants de la rue sont venus me voir et ils étaient aussi euh, très souriants. Et c'était très touchant. Franchement, c'est très touchant. Moi qui suis aussi maman, j'ai mes trois garçons qui sont à la maison, donc j'ai l'ennui. Et chaque fois que je vois des enfants, ben, voilà, j'ai envie de tous les ramener chez moi. <laughs> Ah, mais c'est vrai que c'est assez, c'est assez marrant de voir le chameau ici euh, entre les voitures, en fait, parce que euh, quand j'avais eu peut-être l'occasion d'en voir, c'était peut-être euh, vraiment dans des dunes. Et là, il se balade en ville et ça, c'est assez marquant. Et tous les animaux, en fait, euh, les moutons, les chèvres, les poules, les vaches. Et on a l'impression que ces animaux sont un peu en liberté. Apparemment, ils sont quand même à quelqu'un. Je ne sais pas comment ils les retrouvent. <laughs> et ça, oui, ça m'a marqué, c'est vrai. Tous les animaux qu'il y a ici, alors qu'on est dans une capitale, en fait. Alors, c'est vrai que j'avais des appréhensions par rapport à la chaleur. Depuis la Suisse, je regardais un petit peu la météo, <laughs> je regardais le thermomètre et euh, je, trouve que ça se passe bien. C'est vrai que euh, je, trouve que les gens qui n'ont pas le choix d'être euh, dans la rue ou de travailler à l'extérieur, qu'ils ont énormément de, courage et je ne sais pas comment ils font, je pense que leur organisme s'est aussi habitué. pour moi, il fait très chaud, mais comme on peut un peu alterner entre les déplacements en voiture ou quand on est à l'intérieur où c'est qu'on a un peu plus d'air ou de climatisation, ça va. Mais je remarque quand même que la chaleur, elle me fatigue en fait, je me sens assez fatiguée. Euh, voilà, chers auditeurs, c'était Natacha Mangoli de la radio RJB. Avant de continuer cet entretien, nous allons passer à la revue de la presse avec Nafisa Adamou Bonjour Nafisa. Bonjour Ricky. bonjour Fanta. Bonjour Nafisa. Alors, euh, on ouvre cette revue dès la presse avec euh, les élections législatives partielles de la diaspora. La Commission électorale nationale indépendante CENI proclame les résultats globaux provisoires selon le titre du Sahel, le quotidien gouvernemental. En effet, la Commission électorale nationale indépendante CENI a proclamé le 21 juin les résultats globaux provisoires des élections législatives partielles de la diaspora. À l'issue de ces législatives, le PNDS Taraya a obtenu deux sièges, le Modène Falumana également deux sièges et le MNST Nassara un siège selon le président de la CENI. Ainsi, avec ces cinq nouveaux élus, le nombre des députés de l'Assemblée nationale du Niger, qui est actuellement de 166 députés, passe à 171 prévus par la constitution nigérienne. Ces cinq députés auront pour mission de défendre la cause des Nigériens vivant à l'extérieur. Pour rappel, ces élections qui n'ont pas pu se tenir en 2021 lors des élections générales à raison de la pandémie de la COVID-19 ont finalement eu lieu le 18 juin 2023 dans 15 pays retenus par la CENI. Les résultats provisoires vont être transmis à la Cour constitutionnelle qui aura pour mission de purger les contentieux et de proclamer les résultats définitifs, conclut le Sahel. Nouveau pacte financier mondial, le président Mohamed Bazoum préconise la création de nouveaux paradigmes dans les partenariats de financement, nous annonce l'agence nigérienne de presse. Le président donc de la République, Mohamed Bazoum, participe cette semaine au sommet sur un nouveau pacte financier mondial à Paris, en France. Dans un discours prononcé devant les participants, Bazoum Mohamed a préconisé la création de nouveaux paradigme audacieux et innovant dans les partenariats de financement. Il a déclaré, je cite, Il y a pour nous une urgence à court terme dans l'urgence globale, celle de mobiliser les fonds pour répondre à notre impératif de développement et à nos défis démographiques et sécuritaires. Selon toujours le président Mohamed Bazoum, la mise en œuvre du nouveau pacte passera par la construction d'une boîte à outils audacieuse et innovante en termes réglementaires, juridiques et en ingénierie financière Noter Notez que ce sommet de Paris vise à jeter les bases d'un nouveau système pour relever les défis mondiaux communs, en particulier la lutte contre les inégalités, le changement climatique et la protection de la biodiversité et définir les principes de réforme à venir et de fixer une trajectoire vers un partenariat financier plus équilibre entre le Sud et le Nord. On parle aussi d'insécurité, de morts, cinq personnes enlevées et du bétail volé à Moulé dans la région de Maradi, indique le souffle de Maradi. En effet, selon le souffle de Maradi, plusieurs sources sur place confirment une attaque ciblée d'individus armés de la nuit du mardi 20 juin vers 21h au domicile d'un citoyen de Moulé-Sabois, une localité de la commune de Serguignama de la région de Maradi. Le bilan de l'attaque est de deux personnes tuées, parmi elles un homme de 70 ans, 5 enlevés et un troupeau de bétail à gros et petits ruminants confondus emportés. D'après les premiers indices recueillis, les individus armés, dont le nombre n'est pas encore connu, ont dans un premier temps attaqué le domicile ciblé, tuant le chef de famille et une autre personne, rapporte le souffle de Maradi. Les forces de défense se sont lancées à leur poursuite. C'est la fin de cette revue. Merci Nafissa, chers auditeurs. À présent, nous allons continuer l'entretien du jour avec Natacha Mengoli, journaliste à la radio RJB basée en Suisse. Natacha est en mission au Niger dans le cadre d'un programme dénommé Enquête d'ailleurs. Elle réalise un reportage sur la démographie et aussi la scolarisation et le maintien de la jeune fille à l'école. J'ai été euh, très touchée par la pauvreté. Euh, c'est vrai que je, ne m'attendais peut-être pas à autant tant de pauvreté parce que, en fait, on n'en parle pas chez nous. On parle plus de la sécurité. On parle plus de la sécurité. Il faut savoir que l'actualité qui, nous vient d'Afrique, euh, c'est vraiment quand il y a des grands événements. Sinon, on est beaucoup plus centré évidemment sur ce qui se passe plutôt euh, en Europe, euh, à nos frontières. Mhm. Et oui, on va malheureusement plus nous parler de l'insécurité et, et, quand il arrive un événement grave ou dramatique. Sinon, malheureusement, l'actualité nigérienne, elle n'arrive pas forcément euh, jusqu'en Suisse. Ok, alors euh, Natacha, votre enquête porte sur la démographie. Est-ce que vous pouvez nous parler de, des points essentiels mhm. Donc cette thématique de la démographie était la même pour tous les journalistes qui, participent à ce programme cette année. Enquête d'ailleurs, il y a sept binômes. Et euh, on s'est posé la question avec China, quels sont les angles qu'on pourrait explorer Et moi, on, a pensé directement à s'intéresser au rôle des femmes dans la transition démographique. On sait qu'il y a une euh, croissance de la population assez folle ici au Niger, l'une des plus grandes croissances euh, du monde. Et ça pose beaucoup de problèmes euh, dans le pays. Euh, il n'y a pas forcément les structures nécessaires. Et en faisant nos recherches, on a remarqué que la femme, en particulier les jeunes filles, mhm. avaient avait vraiment un rôle fondamental à jouer euh, dans cette transition démographique. Et du coup, on s'est intéressé vraiment à la scolarisation de la jeune fille et à, tous les efforts qui sont faits actuellement pour améliorer les choses. Et qu'est-ce que vous avez remarqué à l'issue de votre enquête Oui, oui, et j'ai remarqué que alors qu'il y a beaucoup de problèmes, si je puis dire comme ça, mais je remarque qu'il y a aussi euh, beaucoup de gens, beaucoup d'institutions, beaucoup d'acteurs qui cherchent des solutions. Mhm. Et la perception que j'ai eue euh, après ces quelques jours d'enquête, c'est que le Niger se trouve dans une transition positive, j'ai l'impression. Et euh, je trouve que c'est une très bonne chose. On remarque qu'il y a des internats qui sont en train de se, créer pour les jeunes filles, qu'il y a des efforts qui sont faits pour euh, vraiment euh, que les jeunes filles, les femmes de demain aient un avenir aussi dans le monde professionnel en fait, parce que c'est vraiment ça l'enjeu. c'est peut-être donner à la femme aussi un autre rôle que seulement celui de la maternité. Parlant de maternité, comparé au Niger, la Suisse a quand même une population plutôt vieillissante. C'est vrai que la, problématique est complètement inversée en fait. En Suisse, euh, les Suisses font pas assez de bébés. <laughs> <laughs> je crois pas que c'est un problème ici. Hein. <laughs> et euh, c'est vrai qu'en venant en Suisse, China l'a aussi remarqué, euh, on est à moins de, deux enfants par femme en moyenne en Suisse. Et euh, il y a de plus en plus, je ne vais pas dire que c'est fréquent, mais il y a de plus en plus de Suissesses maintenant qui ne décident de ne pas faire d'enfants. Mm-hmm. Euh, pour mille et une raisons, mais notamment aussi parce que en Suisse tout est très cher. Et avoir des enfants, ça coûte très cher, donc ça signifie forcément euh, qu'il faudra sacrifier une partie de sa vie d'avant, qu'il faudra sacrifier potentiellement son travail parce qu'il y a des crèches, il y a des structures de garde, mais là aussi ça coûte très cher. Mhm. Donc on n'est pas du tout dans la même euh, dynamique. En ce moment, en Suisse, euh, on est en dessous du seuil de renouvellement de la population, c'est-à-dire que la population suisse grandit grâce et par l'immigration. Voilà, chers auditeurs, c'était la rubrique Entretien avec notre consoeur Natacha Mengoli de la radio RJB basée en Suisse. On fait une petite pause et on se retrouve juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. À présent, Fanta, c'est l'heure de notre rubrique hebdomadaire. On parle entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Madame Adama Di Domo. Elle est entrepreneur à Dosso. Elle exerce cette activité depuis des années et c'est à travers son commerce qu'elle arrive à prendre sa famille en charge depuis le décès de son mari. Notre reporter Hawa Ousmane, en mission de la région de Dosso, l'a rencontrée suivant son reportage. Aïno, Madame Yaya Adama. kaldin ne don mano ni gidi yayi bar foi mu zan ne adama no yige bai to adama aran da te fatauki aran ga te fatauki fatauki dai ka tai gwai aran ga te san bugi ne la buwa ne aran makanda ne aran gin ga ke ce ba za wa tun aran sintin da te ne ran do wallahi ai wai sintin ne ran diyan agai amma ai mu koi labuwa ne wo 2006 ne sintin 2006 ne sintin koi kotu zuwa zuwa zuwa kalai ta tanje to lomi ai kwai akra to son kwarin zadin dai na yigite ai kwai lomi ko tonu akra son dai tun ne o dai ai kwai ko tonu dai kwai ko tonu ai ga sambu dara ai ga sambu jinai bani bani foyan habora ai ga sambu krevet ngai na ga sambu ko tonu gai mu kwai lomi dai kwai lomi ai ga sambu jinai kan go lomi ne bai dubor fur habura ni ga hinka di jinai foyan kan wai borai gaba irga sambu kandi me gano wodir koy istansil do menaji dayno ir koy za gana lome modir ka irga za abiyama ngai nirga kandani hare kanera son fatu daga aran hin da ke sai umfani kana ran <laughs> na fa na fa ga bagumu wallahi na fa ga bagumu fatauco ir koy mal barka da ngaga in kun wai borai ba si ga kani ayo dai fatauco din ra ai stugin sai hin nan kai dai zai gogwaro ai bon windira na yi yi fatauco din magamu no yi izai bor kulsi bai hala tumiyan ne ala tumiyan ne go gayin gai bor wit amma fatauco din sai bor kulsi bai hala tumiyan ne irgo gir ta irgo gir hauda bai gwarai ta ba bu 2017 amma bandai gor kasinai fatauco dai sun da ci ne alhamdulillahi muradai kulgo tara wallahi to fato kan kalbor mu naru nima furu moto nima koyi la mu dalu han mm. foyan boro fuban da misa foyan ga masaliya mm. ngin ga kiri sai han masaliya kan ku de jirawora to wallahi jirawora wa ganda masala amma son wurawo a istugin sayir masala bero iban bata ni bai dinin sen go koy labuwani frontier yan gono din ka frontier ga E, din ganda carte supposo imine ni kama ville ni ganda carte d'identité nigérienne ni ka niger borai do imine kal ni bana ni karto man aspire a man haykulu ni me igine nim kan da mil franc din go furbe ne ni bai kan labuwa no sa sai do fis ni ga bana ni bai kan ni bungo sai ni bai kan ni bana me ir labora fis billahi son igo girtano in labora igo girtano gumo wato jin ibdu duwane hinin gan problem amma hin kun wallahi oze fure ya se duwane zama oze fure no kun din koy ha birjo dai kai irga ha bunda asir labura dole no irma san gunan gufu din ka ka dai oze fure mene nim ban ha birjo si oze fure mene nim ban crevet si oze fure mene nim ban ha misa o dai poisson de mer no irsin de mer amma igane ne haka din banasi oze fore mene kwakwa jijina sangu ba vincent follan nuni se kadin bana manja kadin bana irwo ai wo kai masala kai godi dai noya man tai hinna mo irga babu mu to zanga so nugun da ginda da yan irwo ne eh, gwamnato so tu ha ta gu ngaran goga di fonda bon ai ganda ginda da yan kai ga te gwamnato se hal daga tayir se dogonai irdire sine kwai kwaye gamara imisalan yise kun we bare kan go kwai kace ci ibobo kul mo fari no gani ka tare ba kulu ai chale yanno alatu tumi yanni sai isin da babu kan ga kwal nuru bani ise isin da nyakfusin kan di ise ya dinga bora mu fatta a da bayan garau no kwai sambu ni kwai garo ceci cino ni ya fo sina do wal nim proje projet no sambu 400 mil nim ne nim kwai fondara ma do ka hay nin din ni zai wa? din ka ni 400 mil gine sambu ni ka duwane do zai fure ne ni ma de duwane plus de 100000 ifo no ni ka zara ni 500 mil gine sambu ni ka kayi do din man ha yi gazu mandi ya dinga ifo no ine nim din banan da kan do ne garo wuza irga ba gwamnati makan badan irse fisibillahi kwai koyai sai irse gwanai Fanta, après cet entretien, nous allons souffler en musique. Cette fois-ci, je choisis Igawel du groupe de rap Tchake.

you go, well, thunder

dalya mu iske stusha mu kuso mu shiga mu bar sake le groupe de rap Chakei qui nous a chanté Igawel. Chakei est un groupe de rap nigérien qui a été créé le 9 août 1998 à Niamey. Il fait sa première parution à la troisième édition du concours de rap dénommé Rap Attitude où il décroche la troisième place. Chakei multiplie ensuite les participations à des concerts à Niamey qu'à l'intérieur du pays. C'est fort de cette expérience que le groupe sort son tout premier album Gonga le 12 juillet 2003 au Centre de formation et de profession musicale CFPM. En 2005, il enregistre un second album titré Cris de cœur. Après cette pause musicale Fanta, on passe à la rubrique Écho des régions. Cette fois-ci, nous partons pour les marchés de bétail de Tilabéry. Wiruki, à quelques jours de la Tabaski, les marchés de bétail sont bondés de clients venus pour l'achat de l'animal indiqué. Boubacar Oumarou, notre reporter sur place, indique que les prix varient selon les moyens des acheteurs. Voici son reportage. La fête de Tabaski, connue sous le nom de l'Aïd al-Adha, célébrée avec ferveur et joie, cette fête religieuse offre un aperçu fascinant des traditions, des coutumes et de la spiritualité qui animent les adeptes de l'islam. Dans la commune urbaine de Tilaberi, le marché de bétail commence à s'animer. Dans les rues avoisinantes se présentent des vendeurs ambulants proposant une variété d'articles allant aux vêtements traditionnels au niveau des darés alimentaires spécialisés. Mais le plus important est le bétail. M. Moumouni Adamou, un vendeur venu de Sakwara, explique les préjugés à l'encontre de la charité du mouton. almano ki gogne kyada almano muna da mo almano gogo fala amma non go kan bor go kan niga ba noro stono nimne almano gogo kyada dole bor kursi no kan din ka habora nsigandi kam bono amma hal wo kan noros to ne kalam ko wonde nigi dia cada kuna zambar ibdugu bonno zambar hakugu bonno zambar yagugu bonno zambar woy gono kalam ko to waranziga borkudin hina no kanigde Ainsi, le marché de bétail devient le théâtre de négociations animées et passionnées quant au prix du mouton, évoque Sadou Mahamadou. Le marché offre un véritable spectacle pour les sens, les couleurs. Les acheteurs se promènent entre les rangées. Ils inspectent minutieusement les animaux. Ils examinent la condition physique, l'âge, et la taille de chaque bête, retorque Habib Boubaka, un acheteur de Tilakena Mederi. avoir un mouton n'est pas toujours chose facile car des problèmes persistent au niveau des vendeurs qu'au niveau des acheteurs selon Mamoudou do bangande walla almano nerawo kaydo ha ir gogdi sande ken zam tan fon wo kam bura noro sidu amne ima keri ima nerings bura kulm ko cerban zama dai ko nda e ner iman wana kala alfadde heniya da alfadde man ko feri heninya wo sidu fisi donc ya dinga borai matkul kan no te daran goye go charban kularam du charban da gote dimat kagi ma da fo kulm dungona nin kan dai mduni wana Les préparatifs de la fête commencent bien avant et les fidèles continuent de se rendre dans les marchés de moutons ou d'autres animaux destinés au sacrifice. Cependant, il est important de régulariser les prix d'achat pour un accès abordable. Très informatif ce reportage de Boubacar Oumarou qui est d'ailleurs en ligne avec nous depuis Tilaberi. Boubacar, bonjour. Oui, bonjour. Euh, bonjour Boubacar. Et d'où viennent les clients, Boubacar Bon, euh, <clears throat> les clients viennent majoritairement dans euh, les villages du département de Kiladiri Donc, il y en a d'autres qui viennent de, de Ayarou, des villages insulaires aussi de Kiladiri une partie encore du département de Terra mhm. et également du Zamaganda aussi. Ok. Est-ce que la, la présence d'acheteurs non locaux influence les prix oui, vous savez, c'est que euh, par rapport au prix, vraiment, il y a un grand débat. Parce que ce qu'il faut souligner, d'abord, il, il, existe des démarcheurs et lorsque euh, le vendeur leur donne, euh, comment s'appelle son mouton, ou bien des animaux qui sont destinés au sacrifice, alors ils essayent un peu d'augmenter. Et c'est ce qui encore favorise le, le rehaussement encore du prix, et ce qui fait aussi la chérité. Donc vraiment, de l'autre côté, les locaux et les non-locaux a ah, vraiment euh, une voix dedans dans, comment ça s'appelle dans la vente des, des animaux. Voilà, merci beaucoup Boubacar pour toutes ces précisions. Chers auditeurs, on fait une petite pause et on se retrouve juste après. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Fidèles auditeurs, nous arrivons maintenant à la partie sport. Bonjour Soumana. Bonjour, ok. Bonjour Soumana. Bonjour Fanta. Alors euh, aujourd'hui on va à Agadez à la découverte d'un ancien lutteur devenu joueur de ganga, le tam-tam de la lutte. Eh oui, il s'appelle euh, Sani Sarki Maizamani, de teint noir, taille moyenne, âgé de 41 ans et père de 5 enfants. Sani était d'abord lutteur au titre de la région d'Agadez. Il est maintenant joueur de ganga pour encourager les lutteurs. Selon lui, avec toute sa force, il n'arrivait pas à gagner les combats dans les arènes de lutte. Il euh, connaît très bien jouer donc, euh, la musique de lutteurs, un métier qu'il a appris avec son père, lui-même griot et joueur du ganga. Notre reporter Salamat Kadri l'a rencontré à la compétition de lutte dénommée Coupe du Président de la République qui s'est déroulée du vendredi 16 au dimanche 18 juin 2023 à Niamey. Écoutons leur entretien. A koko nan, Allah ne ya sa cikin hili ba ni da rabanta yadda ake ni. Wallahi daga Isaka, Isaka, ya hayyaka ka, shirganiya, lawali dan tambayi. duka su irin su Musa Abdullahi irin su Kabir mai ankuwa irin su Tasu Ibrahim wallahi babu wanda ban kada ba gurin kokowa haka talada amma nan ne gurin kokowa take nuna mun matsala shi yasa ma na dan dauka kuma albarkacin mutuwa halar bakwai kawai na ji kokowa ta dan wuta daga raina To yaushe ne ka fara bugan ganga? Wannan kiɗi dama tun da ina kokowa shi na gada ni roƙo shi ya ahe ni shi na gada tun ina kokowa ma ina shi. Tun kafin in ware kokowa ma a hoto a sanni ina wannan kiɗin. Ai da ka kiɗi na ka san ba na koya bane ba a waje ko ba haka nan bane. Kiɗi dan dai harka ce ta jama'a shi kuma duk abin da wani bai ci ba kalkaiwa ta ma Allah ya baka. Amma kiɗin nan ina huta kumya. Ina ci da iyalina ko noma yanzu da za a yi da kiɗin nan nake yi. ko noma ban na yi a harkar wannan kiɗi kawai nake ci Voilà, Donc, euh, Fanta et c'est tout pour euh, la passe pour, aujourd'hui. Merci beaucoup, Soumana. Chers auditeurs, on passe à la rubrique Portrait. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir l'une des voix de cette émission. Samira Rouafi est journaliste et traductrice au studio Kalangou. Elle est mariée et mère d'un enfant. La jeune dame a commencé à travailler au studio Kalangou en décembre 2019. Depuis, elle n'a cessé de gravir les échelons grâce à sa polyvalence dans les tâches. Mariam Adé nous l'a fait découvrir davantage. Je vous laisse apprécier. Élancée, mariée et mère d'une fille, Samira Amadou-Rouafi fait partie des jeunes journalistes du studio Kalangu. A rejoint l'équipe numérique du studio Kalangu en décembre 2019, elle était loin de s'imaginer être une des journalistes incontournables du groupe. Par sa curiosité et son désir d'apprendre avec un stage de quelques mois, elle obtient un contrat de pigiste en mars 2020. Elle nous raconte comment elle a atterri au studio Kalangu. J'ai atterri à Kalangu au moment où l'équipe jeune était en train de beaucoup travailler sur des choses. Donc, euh, les membres de l'équipe jeune voulaient se consacrer sur l'équipe. Donc, on a fait appel à moi pour euh, remplacer Olivier qui était euh, chargé du site internet. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à Kalangu pour m'occuper du site internet et de rédiger des articles. Et après, j'ai continué dans le journalisme. À l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, le 3 mai 2023, Samira Amadou a été honorée par ceci supérieure par un témoignage de satisfaction. La jeune mère nous exprime l'immense joie qui l'anime face à ces témoignages. Oui, j'ai reçu un témoignage de satisfaction par rapport à l'appréciation de mes supérieurs euh, sur euh, mon travail euh, et je vois vraiment ce que cela implique car seul le travail paye. À présent, mes tâches ici à Kalangu, je touche un peu à tout. C'est après son mariage que Samira a failli mélanger les pinceaux, mais grâce à son esprit de discernement, elle a su s'adapter, elle nous raconta. Ça a commencé à être compliqué après mon mariage, car à cause de ça, j'étais obligée de déménager après mon bébé parce que euh, je ne pouvais pas rester euh, dans un quartier où je ne connaissais personne. Euh, je crois que c'est bon. Le matin, quand on vient à la conférence de rédaction, on attribue les sujets et c'est de là que je fais mon travail ici. Et quand je rentre à la maison, je fais ce que j'ai à faire. Ce n'est pas vraiment difficile à concilier. Mustapha Mamansani, rédacteur en chef adjoint du studio Kalangu, est très satisfait du travail de Samira, une jeune journaliste exemplaire elle a quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire, vous ne dites jamais à Samira la même chose deux fois. Euh, c'est vraiment euh, quelqu'un qui fait la fierté de la rédaction du studio Kalangu. Sur tous les desks, elle vraiment, elle surfe sur presque tous les desks. C'est vrai que c'est un peu, on a l'impression que c'est un peu éparpillé parce qu'elle est dans tous les desks, mais en réalité, elle a sa façon de se construire la façon de s'organiser. Samira est aujourd'hui l'exemple parfait que la polyvalence reste la mère arme pour avancer dans la vie professionnelle. Après ce portrait, chers auditeurs, pour notre toute dernière balade en musique de cette émission, je vous propose Gengi Almanay de l'orchestre Toubal de Dosso.

I'll m'appelle les feuilles j'espère que vous avez apprécié. C'était Gangi Almane de Toubal de Dosso. Fanta, on passe à présent à la rubrique Loti du jour. Viruki, dans cette euh, rubrique aujourd'hui, le desk femme du studio Kalangu nous propose quelques conseils pour prendre soin de notre peau en période de chaleur. Écoutons Salamatou Kadri et Aminata Boubakar. <laughs> Loti, Loti, Loti, Loti, <laughs> raham samai no fati matinugo irgir koy sabu dai mataron go dai mata zankai igir koy sabu wala a to kan ka bunu buna zankai jir koi sabu mon femme fam mataga hmm, ni dunga sintini irde izai wo irmandu man du bon bon timosu dini mu hali mu fahaman dai sai mai halman tumu ir dai izai ir kulga hamai gano futtai zu kaini kaini yan fatta ir su babir mu kwaida futtai dumani mu futtai dainu kan kaji hey wani si kanu binisi son ga tabbatan di kan dungano na futta ba nai wo karanga kan aron kon na karanga ai bun bosin tuna ga wadin nai mili abinda kir koi loktor kwara inirgune ine kan mantika zawadin banda ai godai ga safar yanke ki futtai zai si halga kaso ngai mandu halga kaso ne mandu dabar kulkan ni gi hinga te futtai zai wose hmm. ai mandu dabar kulu ai ni ba gitti han a foya mogon kai nyu mai da amma futtai zai gonu son nai gogo fam halima amma dai har bobu gona karan hinga te kan na ramu du doga nai ara he kiyai se me choho ai ga bai bai hai kan wa da futtai zai wo irdai izai ni bai borai si bai gam kur kan do magu isi ai idi igi samburai gidan gai ga hamai gano ifo bonno ni go salon kwai na fati ya dinga ba kan borai ga ham kurai ga himan da igi fayanka hei ani igi faime ni to faman dai si kan na ka borai ga ham kurai kan yanga zamni kan bor gono bor dara gono bor mo gonar msidir gan wadini bor gono kan ikurai igi te zanga dai jino itusiga boren di ga sandi boren ikurai kogu aga nanka de da Harifata nongora non gora kan di mago waru waru Mbore mo niga di kan ba fu oh sonnai faham ya dinga man ta kan dine ga ham so niga sambu koy ga dan hamoga e du no ham fo niga gudu ah niga kim dai kiyai semi matuno borga te ga bagi kan ga te borga hamosi ye wani fala follo min kuro gunga di kuro kanu ma goni sai meni walli mu danga mata mai ga ham kuro guni min ga ham kuro gun di. hala to nim tusa ga wala mun to nim ji tusa ga zam ga am fango na mun to nim ji tusi ga ni bun bozan zan ga mo guna ga fisino gal gal go kan ga ne ji tusu ah ai faham ir dai zan kai ir ga ham kurai gu ko gunu dir man ji tusu ir ga ga ba kortu mhm ni di wala ya dinga aron wo man ta ji kul duma naran ga da ngaran ga mu yoga ba dai kan ngaran ga mu gu muradun da ji kan ga ga ham kuru ba funan di ga bai ji fu no ni ga tusu ba dai kan mu dunga wara kuru kun no muradun da ji kan ga ga ham na fa ni ne irin mi ga ham kure ba mataga ya din no me ni moli mu ji ir ir yan no gono kan ga gaham kuru ir ir kulduma ba funandi bor ma har bobu dunga wara bor mi sidan bankarai tinu musko gormonan kan dunga gina hau guba he son nai fahame fata kan se futtai zai wo fata ir dai zan kai ga nig bai kan gin har nirga kani kwai ni vazilin nirga tusu eh ni mo halima ni zan kai wala haku sambu ha musiye ga wani duma tai kwai ne eh ni kwai kan fuyi za kai nara kan ni sa faru dunga wora ba ni ga kan gina harara makani fuyi za kara hawo ga furo a ga fatta ga teni se dama damu ga vazalin to su kani koyna fu wara dunga wara wallahi nigi kimchogo a son wo kai aina ai faham fanda goy moda yamar yangai kanni nayin hey choro ifo ga hinga kar sai da mantu wani to kala tonton Merci aux femmes du studio Kalangu pour ces conseils et astuces très bénéfiques. Chers auditeurs, dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie d'Alamine Ouachar. Il est journaliste au studio Kalangu et traducteur en langue tamashek. Aujourd'hui, avec lui, nous allons découvrir ce que signifie le mot stencil. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, il s'agit de la rubrique culture linguistique. Alamine, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans le Niger sur Kalangu. Bonjour, merci. Euh, à quelques jours de la fête de Tabaski, le moment pour les personnes de se procurer ustensiles pour le travail de la fête, euh, le moment aussi pour nous de nous attarder sur les mots ustensiles. L'ustensile se définit comme l'ensemble des objets servant aux travaux domestiques, en particulier à la cuisine. Euh, comme synonyme

أتي موسن الموشي تنداتن داور موسن أوين دا فلاس اي موسن وغانا قوتنين اللي انتم كان داغي وينستا وقوشي لاتن كاتنا وين الزمان موس أردت أستا وقت أسمري أستو كرم كريم تفاسكي دا غاديار تنوين دا كول دا سنتانو دا فرانسيس استنسيل Merci على la Chers auditeurs, si vous aussi vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en haussa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un message vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Je répète, 82 89 89 64. Fanta, c'est aussi le moment pour nous d'écouter nos auditeurs qui nous ont envoyé des messages vocaux. sunana ta sani a gaskiya ina jin daɗin shirye-shirye studio kalangu sosai da sosai domin suna shirye-shirye wanda suke faɗakar da mutane kuma muna karuwa da shirin nasu sosai da sosai musamman ma ni kaf shirin da hima burge ni sabon shirin nan da suke yi na rana yana jan hankalin mutane sosai kuma ana karuwa da shi muna fata da kullum su dinga ci gaba da kawo sabbin shirye-shirye wanda al'umma za su karu da su sunana abdulfatah eh gaskiya mu muna bin tsarin studio kalangu kamar na shukura da na gaskiya da ake sawa muna jin daɗin shirin nan da ake na rana wanda yana faɗakarwa bisa kan fanni daban-daban lahiya da sauransu abubuwa da wanda ya shahi al'umma da sauransu gaskiya muna jin daɗin shi in son samu ne ma mu a ce ana kaftan shi daga ko ina tunda wani bin mu muna gurare na daban-daban idan ka shiga wani gurin zaka ji radiyon ba za ta kama ba amma kuma ka shiga idan radiyo biyu ne kenan ko baka samu ba a can kana iya saurara a can kenan wannan shawarwari ne za mu basu su wanda koda a ce in shukura ta sa da rana a ce gaskiya ta samu wani guri an sa shi da wani lokaci kenan ya zama ana maimaita shi da kowane lokaci kwa ga masu gidajensu dai ya zamanto sun ji wannan shawara da muka basu Je me présente au nom de Moussa Rabi Cette nouvelle émission, c'est une émission vraiment qui nous permet, qui permet à tous les jeunes Nigériens, et surtout moi qui est amateur de la musique, c'est une émission déjà qui parle de la musique et des artistes. Ça m'a permis de connaître euh, quand même les artistes qui n'ai pas l'habitude d'entendre leur voix et puis c'est une émission qui parle vraiment de la jeunesse, raison pour laquelle chaque jour je suis ça. Sauf si je ferai quelque chose où je suis en déplacement ou bien je pas de temps. Et mon dernier appel que j'ai à lancer à Studio Kalangu, vraiment j'apprécie ce qu'ils sont en train de faire. Et ils ont quand même amené des choses vraiment. Avant, on n'a pas l'habitude de voir ou bien d'écouter ça à la radio. Vraiment, j'apprécie leur manière de travail. Et j'aimerais aussi qu'ils améliorent davantage le programme, surtout mon émission là que je viens de te dire, Midinal, voilà, d'ajouter quelque chose côté jeunesse. Voilà, en espérant que ces appels et ces suggestions sont tombés dans les bonnes oreilles. Chers auditeurs, Studio Kalangu, c'est aussi et surtout la grande édition du soir, les journaux en français et en langue nationale. Donc, euh, justement, nous sommes avec euh, Nafissa Adamou Sirfou. Bonjour Nafissa. bonjour Fanta. C'est notre collègue chargé de présenter le journal en français. Alors Nafissa, quels sont les grands titres de ce soir dans nos éditions du soir, à quelques jours de la fête de Tabaski, un prédicateur nous édifiera sur l'importance du jeûne du jour d'Arafat pour les non-pèlerins. Les personnes handicapées ont tenu un championnat national dans plusieurs disciplines à Maradi le week-end écoulé. À suivre donc les palmarès dans nos éditions à venir. Le magazine de cet après-midi nous amène à la découverte de tout bol de Dosso, ce tambour guerrier utilisé par la chefferie de Dosso. Et à partir de 18h15, minutes, vous suivez le forum de la presse, le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève. Rendez-vous à 17h. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangu. Vous étiez en compagnie de moi-même Fanta Chamsou et Ruketu Abdourahman. Le plaisir était grand de partager ces moments avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour lundi avec un autre duo. À la technique, vous avez Abdulkader Chombiano et la grande dame Adam Adawachi à l'édition. Excellente journée à vous et à bientôt.